di dans une imperfection totale la ñu yàlla bind waaye matadi boobu nag bu fekkee ne yow doylu nga sa borom xam ne jaam bi jaam rek nga ndax yoon ci yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yoon yi koy yàlla tudd yëpp. bi mu koy ñaanee euh, jaam la ko woo ginnaaw bi mu koy jox arfaan jaam la ko woo. kon nag mel na ni ñu ngi tàmbali waxtaan ñu ngi koy laaj laaj bi. jullit yi rawatina sénégalais yi. salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi doore di ndokkale ñëpp. gannaaw bi mu leen nuyoo nuyu sénégalais yépp ak fépp fuñ ñu mën a jullee ñu julli démb ak ñu julli tey yépp di leen ndokkale di leen baalu xaq di leen baal xaq ci bés bu tedd bi di leen masaw tamit ci xat-xat yeeg jafe-jafe yi nga xamante ne li bés bu waral moo ko li bés bu àndal moo waral di jàngat rek ne bés la boo xam ne lum ñuy jàngal bëri na ma bëgg cee jukki yenn rek yoo xam ne xëy na buñ ci taxawee mën na am foo xamante ne mën na fa yóbbu réew mi ci yombalal jaam yi fi nekk seen dundin mu bokk ci li ñuy wax jàppalante muy solidarité bés la boo xamante ne yi macha allah alhamdulilah rabil alamin liñ ciy jàppalante bëri na trop trop trop te xëy na luñ ci def rek lu ñu war a xeeb la te dara tuutiwu ci tamit ndax jàppalante googu moo tax bés bi di oyof ci ay borom kër yu bari ci xat-xat yu ñuy am pour am loo xamante ne xëy na ku ko amul rek te bés ki mën na doon tiis ci yow sa diggante sa borom mais surtout sa digganteeg sa njaboot wi xar yi bés la boo xamante ne tamit mën nañ ci jàngate dégg gi waral yàlla ne kenn tëralal sa doom rey mu déggal ko ba bëgg ko def dégg googu nag buñ ko misaalee ci réew topp la ci li nga xamante ne moo ñu tënk muy loi mu doon xam loo xam ne bu ci ñëpp tënkoo bu dee loi baax na xëy na ni ñu dundee dina gën a yomb te dina gën a jàgg ci ku ne te dina ànd ak sécurité bi ñëpp soxla pour dund ci affaire ci dëkk bi bu loi desee jàgg nag ñu gën ko jàggal waaye ñu topp ko ba tey ak ci fànn wu mënti nag bés la boo xamante ne tamit mën nañ ci jàngee yërmande ci koo xamante ne yàlla dogal na ba ñu teral ko yàlla ne taxaw leen ndax bu defal woon loolu kon mën na doon Metit ci mom wayu mën na doon métit ci ñi nga xamante lay doon sarti ci ñom ñu war ko wàccoo yermane gogo nak nguur gi moko amé amel ko askan wi ci fan yépp nak ci num leen gëna mëna yombalalé seen dund rek inshallah rabbi ci taxaw bu baaxa baaxa baax waral ni jamono métier yépp ñëpp xam ku li ñuy wax conjoncture internationale maanaam am loo xamante ay jafe-jafe la am bitim réew waye mu am num ñuy fi rawati na ci li seeral dund gi diko ko liñ ci ñew bi ñu ñewé liñ ci fekk tarna trop ñepp xam nañ ko waye def nañu suñu kéemtalaay katan ba won sénégalais ni ñun fu tok suñu xel ak suñu xol yépp ci ñom la nek ñuy xol ay pexe di ko nas guddeeg bëccëg subaak ngoon pour xol nak lañ leen yombalé dund gi ci anam wu ne kon loolu moo tax ba wàññi yi am am te ci pexe yi ñu nekk wéyal di nas am nañ yaakaar bu baax a baax a baax ne bu ñu demee ba ci kanam incha allah rabil yeneen dina amati di ndokkale ñëpp ñi nga xamante ne taxawee nañu fu ne pour sénégalais yi mën a dem ci nu mu gën a yombee fekk ci seen njaboot am lu ñuy yóbbaale. kon bés la boo xamante ne sant yàlla moo ci war bu baax a baax surtout ren gii nga xam ne macha allah alhamdulilah rabil fekk ne jàmm am na ci réew mi dal am na ci réew mi juboo am na ci réew mi ñuy góor góorlu nag ci juboo di waxtaanee réew mi tamit ci lëpp loo xamante ne jàpp nañ ne ab coppite la ñu war a ko tëral ci réew mi lol mo waraloon bu ñu jàppee ne yoon moy liñu wara war a ci réew mi dañoo woote waxtaan ne kay leen ñu xool naka la ñuy tëralaatee suñu réew ci walum yoon bu buñ ko doxalé ñëpp nangone luñ la mënti tegi di nga xamné yoon mo la tégg li waye kèn tegula ko noonu lañ ko fas yéene wéyalee ci yenen yi nga xamante ne ta ñak ñu waxtaan ci askan wi ndax lu ñu yoree la rek amna ñi ko yoron avant ñun ñun ñoko yor fu mu tollu ni diko doxal bu ñu demee tamit ñeneen dañ ko yor kon loolu laa bëggoon rek dénk Sénégal yi delluwaat baalu xaq baal ñëpp xaq te ñaan yàlla tamit mu may ñu fekkiwaat at at yu bëri mond ak tawfeex ak taysiir ak yokkute ak wér yaram incha allah rabbi salaamaaleykum wa rahmatullah Excellence, la fête de la Tabaski symbolise euh, le sacrifice, mais aussi la soumission en ce jour saint. Quel est le message que vous voulez faire parvenir aux Sénégalais Je voudrais d'abord saluer l'ensemble des fidèles musulmans du Sénégal et de la Oumma. Avoir une pensée pour tous ceux qui l'ont célébré avec nous l'année dernière, mais qui ne sont plus de ce monde. Et prier Allah subhanahu wa ta'ala qu'il leur réserve clémence et miséricorde et les accueille dans son paradis le plus élevé. La fête d'aujourd'hui est une fête du sacrifice, vous l'avez dit c'est une fête aussi de la soumission. Ce sens du sacrifice, les Sénégalais l'ont démontré à multiples occasions pour donner corps à ce qui nous vaut la fierté et la satisfaction de tous les Sénégalais en, nous-mêmes, mais vis-à-vis -vis du monde entier, à savoir la démocratie, la République du Sénégal avec ses valeurs démocratiques et républicaines. Nous en rendons grâce à Dieu. C'est une fête aussi de soumission. Soumission à la recommandation divine, qui peut être mise en parallèle à la soumission à la loi qui nous régit tous, qui, quand elle est juste, elle doit faire l'objet d'une application universelle, sans distinction d'aucune sorte. Si elle est inadaptée, elle doit être réadaptée pour qu'on puisse continuer à s'y conformer parce que c'est la garantie de la sérénité et de la tranquillité sans laquelle la vie en société peut être extrêmement compliquée. Voilà pourquoi nous rendons grâce à Dieu, demandons pardon à tous les fidèles, à toute la communauté islamique du Sénégal et du monde entier, et accordons aussi notre pardon à tous ceux qui nous ont offensés, qu'ils l'aient fait volontairement et involontairement.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 Cette solidarité soulage beaucoup de pères de famille en ces périodes de grande angoisse par rapport à l'obligation divine qui leur est prescrite, mais aussi par rapport à leurs familles qui les attendent, surtout avec beaucoup d'obligations en cette période. Voilà pourquoi il n'y a pas de petits actes. Il n'y a pas d'actes qui soient aussi d'une grandeur telle qu'on ne puisse pas en mesurer la portée. L'important, c'est que les uns et les autres comprennent à quel point la solidarité agissante dans la fraternité renouvelée peut être gage d'un soulagement de ces pères de famille qui ont énormément de mal souvent à accomplir ces rituels abrahamiques. Et dire toute ma satisfaction par rapport au climat social qui prévaut dans ce pays aujourd'hui, qui est un climat de paix, un climat de sérénité, un climat de concorde et de cohésion nationale que nous nous engageons à travailler ardemment à perpétuer et à pérenniser dans le pays. Voilà pourquoi, quelle qu'en soit l'occasion, quand nous pensons que des réformes doivent avoir lieu, nous en profitons pour ouvrir des discussions afin que chaque idée puisse être retenue et chaque opinion puisse être exprimée pour nous garantir la meilleure voie à prendre pour nous assurer des objectifs que nous voulons atteindre. Nous rendons grâce à Dieu que cette Tabaski 2024 corresponde à l'exploitation du pétrole et du gaz avec le first oil que nous avons reçu. Nous en rendons grâce à Dieu et rendons, euh, euh, rendons hommage à tous ceux qui, avant nous, ont travaillé pour aboutir à ces résultats et nous nous engageons à garantir la bonne administration de ces ressources pétrolières et gazières au profit du peuple sénégalais. Je voudrais aussi inviter les Sénégalais à perpétuer l'élan d'action commune, particulièrement pour ce qui est de cette salle euh, que nous n'avons pas institué, certes, mais que nous avons recommencé et que nous entendons surtout pérenniser, nous avons dit que le défi, c'est le défi de la pérennisation. Le premier samedi du mois de juillet, il y aura un autre cercetal national. Mais avant cette date, nous savons à quel point il y a beaucoup de déchets à l'occasion de la Tabaski. Nous invitons les Sénégalais, où qu'ils soient, à penser à bien nettoyer pour que le Sénégal, des villes comme des campagnes, garde la propriété que nous avons contribué à lui redonner il y a de cela quelques temps. Je voudrais enfin renouveler ma demande de pardon auprès de tous les Sénégalais d'ici et de la diaspora et rappeler et accorder à nouveau mon pardon à tous les Sénégalais d'ici et de la diaspora et dire mes prières pour un Sénégal prospère, pour un Sénégal juste, pour un Sénégal de cohésion. Salam alaikum wa rahmatullah. Ah, jërëjëf kon nag euh, dégg ngeen euh, discours bi nga xamante ne son excellence le président Bassirou Diomaye Diakhar fay def na ko comme euh, ni mu koy defee saa su ne ci korité bi defoon na ko addu ci li nga xamante ne moo soxal jamono ji réew mi tey tamit mu dellu si daal di ñëw ci ay poñ